la décision mais nous, nous euh, samedi dimanche mais lundi il n'est pas question de liguer parce que Cap ku le 1 mai euh, c'est la fête des travailleurs son doléance la nuit déposée. parce que tout simplement euh, jour bob la ñu déposer pour que nous puissions discuter avec la direction et que la direction ci loolu dafa pourquoi dafa bañ dafa d'abord boo leen liggéeyul loolu nous du def euh, euh, la fête du 1er mai ci si la euh, société bi et finalement les travailleurs ont été obligés nous demander ben société à côté abal pour nous faire une def suñu fête de er mai mon société bi Africa Chips Sénégal mu génne ay demande d'explication demande d'explication bo xamné ne mu ne nit ñi lan tax mënuñu euh, dimanche ak lundi mané suis ko na soir ces demandes là parce que les gens sont frustrés parce que si liggéey ak nit ñi ño xamné ne war nga composer ak ñom nous savons que nous devons percevoir son salaire au plus tard le 8 ñu dem au delà Nous savons que les délégués de personnel amuñu son siège que si ne booy jël décision les délégué de personnel yooyu doo leen wax dara on dit que vraiment loolu du yoon donc ci loolu la woo huissier bu mu waxee ma ne ko mettre ça de côté nous allons discuter ben vendredi def naa vendredi ba le passé la ma déplacé ñëw fii fait que C'est une juriste interne ben, euh, juriste euh, interne d'un cabinet d'avocats qui est leur chef du personnel actuellement quelque part Nous euh, avons, ko que wax de côté nous discuter les vrais problèmes des travailleurs parce que les gens sont frustrés non seulement les IPM ont pris décision sans concerter les délégués du ce qui est anormal non seulement les salaires également euh, dañu war fait les salaires au plus tard le 8 defo len ko ak protocole d'accord yo xamné avons ko signé ak nous, mais ba les gens n'ont pas perçu et mieux encore on a constaté que ñu bari suñu biir dañu feebar té feebar yoyu bu ñu jëlee euh, hôpital vraiment lu ñu war IPM bi war rembourser duñ ko am donc lool Donc problème bo xamné frustration la les gens xamuñu fa lañ joylo ci loolu donc si aujourd'hui la société a la décision de licencier une vingtaine de personnes, sur quelle base on n'a pas encore reçu euh, la lettre de licenciement Pourquoi Parce qu'on avait déposé un préavis de grève. Préavis de grève, nous avons déposé une convocation à l'inspection du travail, qui est une autorité, euh, nous saisir, nous convoqué le lundi à 10h30. Donc si aujourd'hui, avant la convocation, nous avons les mesures de licenciement de quelques-uns, c'est illégal. Akari euh, je suis euh, le responsable euh, du syndicat national des industries alimentaires, SNTIA, affilié à l'UTS. L'UTS, c'est l'Union des travailleurs du Sénégal. cette société, je dis que j'accompagnais les travailler depuis 2016, 2015-2016. Et après plusieurs euh, discussions, on a pu euh, régulariser quelques-uns par des contrats de travail à durée indéterminée. Donc on a quand même aussi fait signer des gens des protocoles d'accord. Et jusqu'à ce jour, ce dit protocole d'accord n'a pas fait l'objet de respect par rapport au protocole d'accord. Aujourd'hui, euh, on a un problème avec la direction. Le problème, c'est que la direction a voulu euh, nous faire travailler euh, le lundi, euh, le samedi, dimanche et le 1er mai. Donc, lorsque j'ai été saisi par quelques-uns des travailleurs, je leur ai dit de venir travailler, mais pas question de travailler le lundi, parce que le lundi, c'est un jour sacré pour les travailleurs. Tout le monde, tous ceux qui savent la fête du 1er mai, c'est le dépôt des cahiers de doléances des travailleurs. Donc si aujourd'hui la direction ne veut pas qu'on dépose des cahiers de doléances pour nous euh, obliger à ne pas également fêter la fête du 1er mai, vraiment on ne peut pas au moins comprendre cela. Euh, sur ça, il a essayé d'envoyer des demandes d'explication parce que les gens n'ont pas travaillé le, le 1er mai et le dimanche. Et le dimanche, tout le monde sait qu'on a signé des contrats de travail à durée indéterminée et que ces 10 contrats nous font obligation de travailler 40 heures par semaine, soit 173 heures 33. Donc aujourd'hui, le, on a obligatoirement droit à un jour de repos qui est un dimanche. Donc aujourd'hui, la société ne peut pas nous faire obligation à travailler le dimanche et le lundi qui est le 1er mai, la fête du travail. Donc sur ça, il a essayé quand même de donner à quelques-uns, une vingtaine de personnes aujourd'hui pour les licencier. Pour les licencier simplement parce qu'ils ne sont pas venus à travailler le 30. Donc le 30 également, si vous vérifiez, je pense, c'est un jour de dimanche qui correspond au jour de repos qui est une obligation à tout travailleur. Tout travailleur doit quand même reposer au moins une fois par semaine, qui est euh, le dimanche au Sénégal. Si aujourd'hui ils voulaient au moins nous licencier pour ne pas quand même payer nos droits, Vraiment, nous ne comprenons pas cette attitude de la direction envers des travailleurs qui ont euh, au moins fait une ancienneté de 10 à 20 ans, qui au moins euh, la plupart sont malades aujourd'hui parce que tout le monde sait. ngir vous a jot ay vidéo abonnez chaîne YouTube bu et info TV vous daal di bës li nga à cloche bi ngir les notifications.